Nigérienne, et Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. Et Cette rubrique est consacrée aux artistes, peintres, acteurs, écrivains, cinéastes, humoristes, comédiens. Et vous avez eu la différence entre euh, comédien et humoriste avec Ahmed Ousmane, qui était de passage à la cuisine. L'art et ceux qui le pratiquent à l'honneur sur le studio Kalango de la Fondation Hirondelle, sur Lafada, l'émission consacrée à la jeunesse nigérienne pour être précis. Aujourd'hui donc, sur cette émission, nous allons recevoir dans quelques fractions de minutes un artiste qui a commencé par chanter, par interpréter. Il a tenté de rapper à un moment donné, en ce qui concerne la musique, il a jeté carrément l'éponge. Il s'est donc euh, donné corps et âme à l'humour. Il est web humoriste. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, aujourd'hui sur cette émission, nous allons donc recevoir l'artiste El Pololo Miguel Pedros la et Corones Cuyara Matata Vino Aldemosa, le seul Nigérien qui porte un nom espagnol, le distributeur de rire agrégé, dorénavant le garçon à louer. Ah non, apprêté <laughs> Le garçon à louer, c'était avant à ouais. tout à l'heure, tu m'as dit c'est le garçon à prêter. À prêter pour, euh, pour, pour <laughs> les, choses. Ouais. Ah, avant, à ah. pour autre chose. Tu veux qu'on n'en parle ou bien tu préfères qu'on qu nous ne dise absolument rien pour qu'on ne traite pas les hindous, les, hindous, disent namaste. Namaste. Pour qu'on ne puisse pas te traiter d'imbécile pour prochainement. <laughs> <laughs> pour le Loco. Parlons de l'artiste, euh, bien évidemment, de A à Z, pour permettre aux jeunes qui kiffent cette émission à travers les 47 radios euh, du studio Kalangou de te cerner en quelques minutes. C'est ça, en fait, la finalité du premier angle qui se passe comme ça sur euh, l'émission franco Aoussa, présenté par la Miss Rim. Yamaman. Donc euh, déjà 47 euh, radios et télé. 6 euh, <laughs> <laughs> télévisions. 47 radios partenaires. Et sur le site du studio Kala. Ah maman, ton fils va être partout. Ah, laisse ça, on est dans tes connecteurs même. Ah, laisse ça. Donc à l'état civil, c'est Al-Mokhtar Adamo Al-Zouma Yusuf Kolo. Ok. Yamaman. Yamaman. Yamaman. Yamaman. Tout ça, c'est un nom. Ouais, c'est mon nom. Tu es né en quelle année Je suis né un 22 juillet 1986 euh, à 7h30. Mon papa partait au travail. On l'a appelé le jour laquelle temps mon petit soleil. <laughs> Avant de goûter de quoi Avant de goûter de Koya. <laughs> On lui a dit, ton fils est là, il dit El Polo Loco. Loco. Voilà, c'est là. Ah, il n'a pas d'El Polo Loco. <laughs> Il a dit autre chose et toi, tu t'es dit Il a dit Al Mokhtar, Al Mokhtar, est venu au monde. C'est comme ça qu'Al Mokhtar est arrivé. Tu vois, nos maternités, Isaac Gazobi, quoi, voilà. Donc, et puis Kunchuate. Ah, Kunchouate, mais nous, mais. 1986. <laughs> Kuncho est décédé en 1987, le 10 novembre. Mesdames et messieurs, Kunchouate, Nouveau au Kogo, 7h30. Il est donc ne sebe kunche fota go sor ko birara no ko gi di fota gi no maternité ol ma kan ragete ir mam mat kan war ka tera de ir go imaginer ah, est-ce que man kal de ma ne kir ya el volo loco ya maman le garçon à louer ya maman garçon à louer on va parler de tes débuts de carrière super je parle de la musique tu as commencé par interpréter tu as, après un moment donné tu as rappé on t'appelait dans le temps Dasket. En, en fait, euh, parle-moi un peu de tout ça. Bon, ah, euh, moi-même, euh, personnellement, la musique, euh, je suis arrivé dans, le monde de la musique en 2002. 2002. Oui, quand j'ai fait la connaissance de Yazdi Mewaka de Métaphore Crew. Métaphore Crew. Voilà, donc on avait commencé au collège, on représentait le CG Centre à l'époque. avec Yazdi Avec Yazdi. Mewaka Avec Mewaka. Ah tu as commencé avec <laughs> quelqu'un quand même de lourd. là hein. Ouais, après, bon, on a créé un groupe KMR, Karim Mokhtar et Razak. C'était <laughs> parti avec. ensuite, c'était Fanatique avec Al Radik. Ok. Oui je euh, J'étais resté dans le même groupe avec Alradic Fanatic. Fanatic, ouais. Oui. Donc Fanatic, Al-Radik, lui, il est allé en solo. Moi, j'ai rejoint le groupe Tribunal. Tribunal. Donc on a chanté Wika Kubera. On va parler de tout ça dans le deuxième angle. C'était tes débuts en 2002. 2002. 2002. Donc on va parler un tout petit peu aussi de tout ça dans un deuxième angle, ça t'a dit demain, Super. à partir donc euh, de la même heure, parce que c'est que la donne qui va changer. alors Alors, El Polo Loco, on sait que donc euh, que tu as une vie, une carrière artistique qui a commencé en 2002. Et ensuite, tu as basculé en quelle année euh, de genre du rap ou de la musique euh, à la comédie. C'était en quelle année euh, Je dirais que tout a commencé en 2016 quand j'ai connu mes de DKN. DKN. DKN, Daria Kachini. Daria Kachini Ouais. De Habib. De euh, Habib, voilà. ok Habib avec lequel on a. Bon, on va parler. On va de ça de, Voilà, voilà, de DKN. Euh, après, ensuite, euh, moi, l'opportunité que j'ai eue pour montrer tous mes talents d'humoriste, c'est le 3 février, je crois, sans me tromper, 2016, avec Hamed. Hamed Ousmane, Haraka Comedy Club. Donc, euh, si je suis révélé euh, de manière humoriste, quand l'humoriste que je suis, c'est grâce à Bien sûr, c'est pour cette raison que nous avons aussi, euh, nous avons en cas décidé de donner une visibilité à Haraka Comedy Club. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, ou ce que, n'est-ce pas, cette comédie club, mais eh il m'a dit qu'on dit un comédie club. <laughs> ce que, n'est-ce pas, ce comédie club a fait, eh il faut il faut reconnaître que c'est énorme. Pour cette raison, vous êtes des jeunes. Et nous, le studio Kalongo, on a compris qu'il faut donner donc la visibilité à ces jeunes. Ok, d'accord Pour voir si nous pouvons aussi apporter notre touche pour peut-être inciter le monde, euh, n'est-ce pas, entier, pas seulement le Niger, euh, n'est-ce pas, à accompagner ce que vous faites, ce que fait Araka Comedy Club. Donc pour cette raison, eh bien, on donne cette visibilité à Araka Comedy Club. C'est le mois de Araka Comedy Club, mesdames et messieurs avec euh, eh bien la nouvelle année. Donc du coup, vous avez commencé, euh, n'est-ce pas, à avoir cette visibilité dans l'humour avec Karaka Comedy Club. En tout cas, l'humoriste. spéciale. humoriste. spéciale à Ok. Ahmed Ousmane. Super, big up à lui. Alors, on va parler un peu euh, justement euh, de l'avenir euh, n'est-ce pas, de ton avenir pour ensuite aboutir à l'avenir de l'humour au Niger. Tu penses que tu as un avenir Est-ce que tu te retrouves dans l'humour au Niger <laughs> Isaac Pana, Isaac Banga, Isaac Danger, Isaac Point. ça <laughs> veut dire quoi ça ça, veut dire que, c'est confirmé quoi. Moi je me retrouve. tu te retrouves Et je veux même que les jeunes viennent se retrouver. Gertrude <laughs> loué, tu t'es retrouvé non, mais je me suis super, super, super retrouvé avec Garçon à louer, une salle qui était pleine. Alhamdulillah. Ça va, tu vois, ma démarche même a changé, tu vois. Fais-moi un peu ta démarche, euh, ta ah. démarche. Ma vie a changé, tu vois. Maintenant, quand je dors, je ronfle. <laughs> Eh, ça sent ça ah sent C'est aussi ça, c'est ben, ça en fait. Euh, et moi, je pense que l'humour, l'humour, ça va. Ça va. Quand j'étais rappeur, quand tu as commencé le 3 février avec Ahmed Ousmane, tu t'es une fois dit un jour que tu vas faire le plein de Radisson et sur le suite où tu vas te retrouver jusqu'à gagner. C'est que tu as gagné récemment là dans le Ah non, tu sais, euh, on euh, tu, quand tu viens dans ce genre de trucs, tu te balances Bon, tu te jettes dans le vide. Tu vois, Ahmed, même à l'époque, quand on te montre euh, la forme de Ahmed, tu ne peux pas dire qu'il va te faire gagner de l'argent. Ça, c'est vrai. C'est comme le mec qui a un camp publicitaire, publicitaire qui interdit le ah, camp publicitaire en Solano, tel Nasser, ah, à sauter gagner. Donc, du coup, Adouma, nous sautait Vidora. Ah, il sautait. On Là, on quoi Non, je te jure, je te promets, je ne pouvais pas dire que Ahmed allait me donner de l'argent. Le gars lui-même, il avait une moto qui le supportait. C'est pas lui qui supportait. <laughs> <laughs> bon, après, je me suis lancé, tu vois, et Dieu faisant les choses, les premiers mois déjà, j'étais à Lomé. Il m'a pris, il m'a amené à Lomé. On est allé, on a fait une formation. De là, je suis venu. J'avais déjà une petite avance sur les autres, tu vois. parce que moi, j'ai suivi une formation. j'étais venu. Après ça, encore, j'étais parti à Ouaga. Ah. ça a commencé. L'argent a commencé à rentrer petit, petit. Et tu vois, je sais, tu vois un peu comment. Et moi, quand je rappelle, je n'ai jamais eu 50 000 en cachet. On a fait le super show. Ahmed m'a appelé, il m'a donné 50 000. J'ai dit, dans le rap, tu l'avais pas, dans le tas Non, non, j'ai jeûné 84 jours. <laughs> <laughs> j'ai dit que ça. <laughs> Pour que, yeah. Ah, Aujourd'hui, c'est plus que ça que tu gagnes, c'est ça Non, honnêtement, honnêtement, je suis, je suis très bien dans, dans, dans le stand-up, parce que je vis seul, tu vois je, vis à l'aise, je paye l'eau, je paye la facture, tu, tu, tu, tu, vois, et puis voilà quoi. Tu te retrouves Je me retrouve. À tu arrives à voir la scène, tu te retrouves, on te sollicite de temps en temps pour faire. Euh, même maintenant, il y a beaucoup de. Pour jouer, comme dans votre concept, on dit je joue. Je joue, ah, voilà. pour jouer <laughs> Ouais, je fais la planche, je fais la planche, je ah, fais, la, fais planche. la planche. Grave, grave, grave même. Parce que du one-man show jusqu'à maintenant, Alhamdulillah. J'espère que les jeunes qui regardent et qui suivent cette émission entretenu un certain nombre de choses sur l'artiste El Polo Loco. Alors, mesdames et messieurs, l'instant est tout simplement solennel. Nous allons donc permettre à l'artiste de placer un un message à l'endroit de tous ceux qui écoutent les radios partenaires du studio Kalango, de tous ceux qui regardent cette émission à travers le site du studio Kalango. L'instant est solennel. L'artiste El Polo Loco va donc euh, s'exprimer dans exactement 3 secondes. 2, 1. Alors, euh, moi déjà, je dirais, euh, soyez déjà euh, fiers de vous, soyez déjà prêts à vous battre pour ce que vous aimez, soyez déjà et fiers de ce que vous êtes. Euh, ça fait déjà trois ans qu'on a commencé un boulot et ça serait très bien de nous pousser, de nous appuyer pour que enfin le nom du Niger puisse dépasser eh, le globe terrestre. Parce que nous, on sait qu'il y a de la matière, on peut faire quelque chose pour que la jeunesse nigérienne soit dignement représentée. Alors, on joue chaque mois. Si vous voulez, on vous invite. Venez vous inscrire. Arca Comedy Club, c'est pour tous les Nigériens. Et eh, d'ailleurs, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà. Vestala, baby, rendez-vous dans Terminator 2, Machine, Toolkit. Hey. Donne <laughs> Ah donne voilà, donne La, ah, voilà, voilà. la, machine, la, machine, la machine manque de graisse. <laughs>